forum du studio le forum du forum forum forum forum forum forum forum forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Le studio Kalangou, euh, vous pouvez suivre le programme du studio Kadou à Niamey et dans l'ensemble des chefs des lieux des régions à travers les réseaux des radios partenaires et puis d'autres localités comme Arlit, Filengue, Birning Gauré, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel, Menesoroa et Saï. Ce vendredi 13 janvier 2017, nous reprenons après un bon moment d'interruption le forum de la presse. Le forum de la presse, vous l'avez certainement bien gardé, c'est du décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale, c'est-à-dire c'est des confrères qui sont invités pour commenter ce qui s'est passé dans la semaine. Nos invités aujourd'hui, Abba Ganal Lawal, euh, à ma gauche, directeur de publication du journal Actualité. Bonsoir Abba. Bonsoir. merci d'être venu. Bonne année 2017 à vous. Tout mes voeux aussi. A côté de Abba, il y a Murtala Mahamadou du journal La Griffe. Bonsoir Murtala. Euh, bonsoir Amadou. Merci d'être venu. Bonne année 2017. Bonne année vous également. Et à ma droite, euh, euh Amadou du journal L'événement. Bonsoir Gary. Oui, bonsoir. Et merci d'être venu. Euh, bah, merci à vous de Oui, l'actualité cette semaine est dominée par les commentaires sur euh, la manifestation organisée par la majorité au pouvoir, la MRN, le 8 janvier en dernier, donc le dimanche, en réponse à celle organisée par la société civile le 21 décembre dernier pour dénoncer les travers euh, du régime de la 7e République, dit-il. Euh, les démarches ont drainé du monde, mais, mais les feuilletons continuent avec la seconde marche de la société civile prévue aujourd'hui même, mais interdite euh, par la mairie, puis euh, cette interdiction est conformée par la justice. Nous allons aussi parler diplomatie avec euh, le président de la République, Mamadou Souf, qui a effectué un voyage officiel en Arabie saoudite du 7 au 13 janvier. Et nous parlerons aussi du sommet France-Afrique qui, se déroule actuellement. nous allons faire quelques commentaires. Et puis par la suite, euh, nous allons parler santé avec euh, la rencontre entre le ministre de la Santé et les acteurs euh, du, domaine. Ils ont parlé de l'assainissement du secteur de la santé. Alors, pour commencer, nous, on va commencer avec donc la marche de la société civile qui est prévue aujourd'hui. Mais le juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey vient de rendre sa décision concernant cette marche suivie du meeting que projetaient d'organiser plusieurs euh, organisations de la société civile nigérienne cet après-midi à Niamey. Le juge a décidé de donner raison aux autorités municipales qui avaient pris la décision d'interdire la marche. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction d'Ali Idrissa, un des organisateurs de cette manifestation. Nous venons de sortir du tribunal. Le juge a effectivement donné raison aux autorités de la communauté urbaine de Niamey en nous disant qu'ils ont le droit de nous demander de changer de date de manifestation et de changer d'itinéraire. Nous nous plions à cette décision, comme c'est une décision de justice. Mais nous continuons la lutte. D'ores et déjà, nous avions demandé à notre avocat de faire appel de cette décision du juge du tribunal de première instance de Niamey. Et Inch'Allah, au niveau de la cour d'appel, nous aurions effectivement raison, parce que pour nous, il s'agit d'une restriction de nos libertés. À vouloir nous dire de manifester, rien que les week-ends et des jours choisis par les autorités de la communauté urbaine de Niamey, nous pensons que la démocratie est en péril dans ce pays. Voilà, Ali Idrissa, un des organisateurs de la marche qui est prévue aujourd'hui par une partie de la société civile nigérienne. Alors, je reviens au studio pour euh, y commenter cette décision du juge de référé et au-delà, euh, la marche de façon générale. Euh, alors, Garé, vous qui êtes à ma droite, vous êtes journaliste au journal L'événement, vous suivez bien l'actualité et vous venez d'écouter cette décision du juge de référé. Est-ce que vous êtes surpris oui, d'abord, euh, je suis journaliste à l'événement, mais je suis là à titre euh, personnel. D'accord, mais, vous, mes propos n'engagent que ma propre personne. Pas du tout, absolument, d'accord. Euh, voilà. C'est bien compris. Euh, vous savez, la démocratie, c'est formidable. Parce que c'est ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire que dans un état de droit, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que les règles sont bien établies. Quand on veut manifester, on dépose une demande avec un itinéraire bien choisi. Maintenant, quitte à l'autorité qui est chargée d'accorder l'autorisation de cette marche-là, de décider de donner ou de ne pas donner les autorités de la communauté urbaine de Niamey ont dit que euh, il faut sursoir, à, en tout cas, il faut reporter la, marche pour le week-end pour ne pas perturber les activités, n'est-ce pas Et il faut changer l'itinéraire parce que je crois que j'ai cru entendre que le premier itinéraire. 15 euh, heures, euh, c'est quand même, il n'y a plus Oui, mais le premier itinéraire, quand même, il était un peu assez, assez inquiétant parce que les manifestants, selon les informations qu'on a eues, prévoyaient de partir vers le non, c'était pas caché, hein, vers le rond hôpital, vers le <laughs> bon, je sais pas. et, au vu, n'est-ce pas, de euh, l'indiscipline de certains manifestants, il était fort à craindre que ça ne puisse déborder et que peut-être que c'est ce que certaines, personnes cherchaient, qu'il y ait peut-être un bain de sang et que ça puisse déboucher sur ce que peut-être d'autres entrevoyaient entre les lignes. Hmm. Parce que certains acteurs de la société civile font de la politique, c'est un secret de policier, tout le monde le sait. Hmm. Donc, Mais ce qui est mis en avant, euh, vous ne trouvez pas ça normal Non, moi je respecte, comme, Ali l'a dit. que le régime de non. Non, mais, euh, mais écoutez, suis, moi je suis un légaliste. Et je suis content de ce que Ali a dit. Je respecte la décision de justice. Il faut que dans ce pays, qu'on apprenne à respecter les décisions de justice. Moi, je ne commente pas la décision du juge. J'ai dit, le juge a dit que les autorités ont raison. Eh bien, comme j'ai dit, la démocratie est formidable. Face à cette décision de juge, vous pouvez faire appel. Maintenant, au niveau de, la Cour d'appel, on va, on, va encore statuer sur, cette affaire-là. Mm. Donc, c'est ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mécanismes. Quand vous n'êtes pas content, voilà ce que vous pouvez faire. Euh, alors, puisque vous parlez de politique, n'est pas politique l'interdiction en elle-même les autorités Moi, je suis convaincu que la justice est indépendante. avant la justice, il y a eu la mairie, la ville qui a interdit cette manifestation. Mais c'est l'autorité qui est censée, qui est chargée d'accorder l'autorisation de manifester ou de ne pas manifester. C'est comme ça que ça se passe dans un état de droit. C'est-à-dire que moi, euh, euh, euh, euh je ne peux pas me lever un beau jour avec une pancarte, je vais dire que je vais à la place à l'Assemblée nationale pour partir euh, brandir. Non, je demande au maire, je dis, je veux, parce que je peux manifester moi seul. Je vais dire au maire, je demande une lettre, je dis, je veux manifester au niveau de l'Assemblée nationale, je veux brandir une pancarte qui dénonce le régime. Si le maire me dit, ah, tu peux aller, c'est à quelle heure je précise l'heure, et puis je vais à la place de la concertation et je m'arrête avec ma pancarte. C'est ça la démocratie, c'est formidable, je vous dis. merci pour cette précision, Garé. on va avec Abba Gana, qui est directeur de publication du journal L'Actualité. Vous avez entendu la décision du juge de référé. Un peu avant, il y avait les autorités qui avaient pris la décision d'interdire la marche. Donc, c'est dans le même sens. qu'est-ce que vous en pensez euh, Merci, Amado. D'abord, je vais profiter de votre micro pour euh, souhaiter à nos compatriotes, à nos auditeurs une bonne année 2017, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, eu l'occasion de le dire avec le forum qui vient de reprendre. Je souhaite aux Nigériens particulièrement une année moins déprimante que celle qu'on a connue cette année, une année de moins de détournement de deniers publics, une année où la République va servir véritablement, où la République va véritablement servir les gouvernés marche contre marche, interdiction, je pense que c'est une comédie à ciel ouvert. Il y a un pays qui s'appelle le Niger, qui est, je pense, dans une démocratie. Qui anime cette comédie ah, Tous les acteurs. Alors, les acteurs. la société civile je pense c'est une, les autorités comédie à ciel ouvert. Les partis de la majorité. Parce qu'il faut d'abord s'attaquer au système. Il ne s'agit pas de s'attaquer à des personnes ou à des groupes organisés, c'est le système même qui plombe aujourd'hui notre pays. Quel Lorsque système je vais venir à Madou, ne sois pas précis. Lorsqu'un Lorsque un régime se targue d'avoir une légitimité à 92,51%, plus le score du MNSD qui a rejoint la majorité, soit quelque chose de plus de 100% de Nigériens. Et voilà, des gens ont dit qu'ils ne sont pas nombreux et que c'est permis par la loi fondamentale. Ils veulent faire montre de leur couleur, dénoncer un certain nombre de situations qui intéressent l'intérêt général. Je pense qu'il faut les laisser faire et les écouter et prendre les dispositions qui s'imposent. Parce que, moi, à mon entendement, un dirigeant et le peuple, c'est un contrat. Ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas par la force les gens qui hier lavaient une seule chemise pour la porter le lendemain, aujourd'hui ils sont devenus sorte d'autocrates et de satrapes. L'argument avancé par les autorités municipales pour vous, ça ne tient pas C'est fallacieux, c'est de la politique politicienne. L'idée était de démotiver en fait les gens, faire en sorte que les gens qui sont prêts à partir à répondre à cette manifestation, c'était déjà ça, faire en sorte euh, qu'ils soient démobilisés. Alors, on dit que vous allez marcher, mais pas le 13. Vous pouvez marcher, vous êtes loisible de marcher le lendemain, suivant un autre itinéraire, c'est d'abord une marche pacifique. Ceux qui ont battu le record de manifestation... C'est un jour ouvrable quand même. Ceux qui ont battu le record de manifestation dans ce pays, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas Garé, on les connaît. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'ils se moquent du peuple perdu. Oui, mais, puisque la justice, le juge a référé à dit. Le juge de référé. vont faire appel. Moi, je ne vais pas jouer au justicier ou prendre la position de cœur. Mais je pense que c'est tout, simplement malsain. Toute cette turbulence euh, créée exprès. Parce qu'on est en train de tendre vers une exacerbation du climat politique. Personne ne peut s'en sortir. un gouvernement finance une manifestation, contre qui Contre les mêmes citoyens qu'il est censé écouter. Je pense que c'est ridicule. C'est totalement ubiesque. Merci Abba pour cette précision. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous alors, euh, le maire qui euh, décide d'annuler euh, la marche et puis la justice qui donne raison au maire. bien avant, il y a eu d'autres manifestations qui ont été autorisées oui, il y a eu d'autres manifestations. Je crois que ce feuilleton a commencé avec d'abord la manifestation du 21 décembre, dernier et euh, à l'appel de certaines organisations de la société civile qui entendaient dénoncer certains travers du de, gouvernement, ce qui n'est pas nouveau et ce qui n'est pas, euh, de mon point de vue, quelque chose qui va à l'encontre de l'exercice de la démocratie. Euh, suite à cela, il y a eu une contre-marche et ensuite, le 8 janvier dernier, on revient aujourd'hui avec une autre manifestation le 13 janvier. Alors je me dis, marche pour marche, où est-ce qu'on va s'arrêter euh, Mais le fait que l'autorité municipale euh, demande ou bien interdise une manifestation aujourd'hui pour demander à ce que la date soit changée, euh, de mon point de vue, je ne pense pas que cela soit euh, euh, quelque chose qui puisse avoir un impact si tant que là, la détermination des organisations qui ont appelé à cette manifestation va rester constante parce qu'ils ont manifesté le 21 décembre, avec euh, les mêmes euh, euh, les mêmes griefs et on ils entendaient ces organisations elles entendaient autant pour moi se manifester le 13 janvier sur les mêmes griefs encore donc vous voyez ces organisations il leur est lisible de pouvoir appeler à une autre manifestation mais toujours est-il que je crois avoir perçu dans cette interdiction de l'autorité communale de Niamey quelque part un petit effort de vouloir casser l'élan qui qui est, qui est entrepris mais de mon point de vue, je crois que euh, ce n'est pas si mauvais ou bien même si nocif que cela pour, contre, pour les autorités qui sont mises en place parce que avoir des, des organisations de la société civile qui vous font des reproches, ça vous donne quelque part l'occasion, l'opportunité de pouvoir vous corriger. La marche est-elle politique euh, non, je ne pense pas, qu'elle puisse être politique parce que pour qu'elle soit politique, il faut qu'elle soit organisée à l'appel des acteurs politiques. Euh, je crois que c'est un regroupement d'organisations de la société civile, euh, quoi qu'on dise. Chacun d'entre eux peut avoir ses, affinités, certaines sont, seraient proches de l'un ou de l'autre bord politique, mais la marche pour moi, elle reste et demeure une marche à l'appel d'acteurs euh, sociaux, donc euh, euh, elle ne peut pas avoir une vocation politique, même si les animateurs, les leaders qui, qui, organisent cette manifestation peuvent bien évidemment avoir des proximités avec certains acteurs politiques. Voilà, merci pour ce commentaire sur cette manifestation de la société civile qui a été finalement interdite. À 18h29 nous allons à Bamako où doit se tenir demain le sommet France-Afrique. Pour plus de précision, écoutons ce papier d'un de, nos correspondants, d'un de nos collègues du, du studio Tamania à Bamako. Les chefs d'État commencent à arriver à Bamako. Le président français, quant à lui, est attendu demain samedi. François Hollande fait escale à Gao pour saluer un contingent de soldats français. Les ministres des Affaires étrangères, eux, sont entrés en scène ce vendredi. Une demi-journée de conférence qui a démarré avec les allocutions des ministres maliens et français, Abdoulaye Diop et Jean-Marc Ayrault. Ils ont discuté un projet de déclaration finale du sommet de Bamako, projet axé sur deux points essentiels. Le premier concerne les défis et menaces à la paix, notamment la lutte contre le terrorisme terrorisme et les trafics en Afrique. Le second est focalisé sur l'économie et le développement à travers l'émergence pour une croissance inclusive et créatrice d'emplois. La journée de demain s'annonce très chargée. Après la séance inaugurale du sommet, deux séances à huis clos des chefs d'État se tiendront au Centre international de conférences de Bamako. L'une sur la paix et la sécurité et l'autre sur l'économie et le développement. Une conférence de presse animée par les présidents maliens et français, Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande, bouclera le 27e sommet Afrique-France tenu à Bamako. Mohamedou Touré en direct du Centre international de conférence de Bamako pour Studio Kalangu. Voilà Mohamedou Touré du studio Tamani pour le studio Kalangu Niamey. Voilà, vous venez de suivre le papier de, de notre confrère Garé sur ce sommet Afrique-France. Est-ce qu'il y a nécessité de faire un tel sommet oui, mais le sommet le sommet, le sommet Afrique-France, ça devient la routine. C'est-à-dire, la question maintenant que les gens se posent, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à ce sommet de, Bamako Parce que les grandes préoccupations de l'air, de l'heure actuellement. Euh, ils vont parler de, défis et menaces à la, de la lutte contre le terrorisme et du trafic et du trafic en Afrique. Voilà, ça c'est important. Et puis l'économie, le développement à travers l'émergence pour une euh, croissance inclusive. Voilà, un peu de thèmes oui, voilà, la lutte contre le terrorisme, ça c'est déjà un thème qui est déjà euh, ressassé à plusieurs reprises au, cours des sommets précédents. C'est très important, n'est-ce pas Puisque dans le cadre de cette lutte-là, effectivement, la France est en relation avec euh, beaucoup de pays francophones, notamment en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'opération Barkhane, n'est-ce pas De la lutte contre le terrorisme. C'est extrêmement important de faire une revue, de voir les stratégies qui puissent permettre maintenant de, de mener à bien cette lutte contre le terrorisme et surtout d'avoir beaucoup de succès. Maintenant, après, on parle de la, relance économique. Mais la relance économique, il y a un sujet aujourd'hui qui fâche, c'est la, question du franc CFA. Parce que la société civile africaine est en train de se réveiller, de dire que le franc CFA est, est une monnaie néocoloniale qui vise à assujettir les États africains, à faire en sorte que les États africains soient complètement collés au Basque de la France et qui ne puisse pas se développer sans la France. Aujourd'hui, le débat, c'est rechercher une monnaie africaine qui va permettre aux pays africains Donc, pour la question de la sécurité, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a d'autres. Mais, euh, mais, ils vont pas amener la question du, CFA, c'est sûr. Parce que, dans le cadre de cet assujettissement, de, ce néocolonialisme, les présidents africains sont complices de la France n'est-ce pas En tout cas, les présidents des États, francophones sont pratiquement complices de la France. Donc, ne soyez pas surpris, cette question du franc CFA ne sera pas débattue lors de ce sommet-là. Par contre, il y a un contre-sommet, je crois, qui, est organisé, par, la société civile. Là, une autre voix qui fait entendre quand même. Là, les sujets qui ne vont pas être débattus par les chefs d'État, qui, j'ai dit, sont souvent complices de, la France, ces sujets-là vont être débattus par Alors, au, au finish, que ce soit le sommet lui-même ou le contre-sommet, qu'est-ce qu'il faut s'attendre finalement euh, oui, est-ce bah, qu'il y a quelque chose C'est juste pour parler ou euh, vous euh, pensez que vraiment les choses peuvent avancer Non, c'est un sommet de blabla. Il y aura beaucoup de blabla, de, discours. Chaque chef d'État va faire un discours. Hollande va faire ses adieux. Il va faire le bilan pendant sa gestion. Comment étaient les relations entre la France et les pays francophones d'Afrique Voilà. Bon, ça, ça va apporter sur le plan de la lutte contre le terrorisme que je considère comme un sujet extrêmement important. Je pense que des discussions vont se faire, mais qu'est-ce que ça va donner Parce qu'aujourd'hui, il est question de la mutualisation des forces, de la création de forces au niveau de, de, l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir lutter contre, d'envoi de troupes dans d'autres pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, des pays comme le Niger, le Tchad et, le, Nigeria et le Cameroun ont réussi à faire une force mixte. Mais comment faire pour que l'Afrique de l'Ouest, on puisse avoir une force qui puisse permettre, c'est vrai, à l'opération Barkhane, qui puisse permettre d'appuyer l'opération Barkhane, d'intervenir dans certains pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme Vous pensez que c'est opération Barkhane, etc., etc., c'est la meilleure solution Non, opération Barkhane, c'est très efficace, extrêmement important parce qu'elle a montré que dans le cadre des, opérations militaires, il y a une coordination entre les États-majors africains des, pays d'Afrique de l'Ouest et, cette force Barkhane là. Je crois que le cas le plus illustratif, c'était cette opération lorsque le Bani Bongo avait été, avait été la prison civile, la prison de Kotakale prison avait été attaquée. Je crois qu'il y avait un message de l'état-major nigérien vers l'opération Barkhane et des avions ont décollé. C'est ça qui a permis. Donc c'est prendre... utile, voilà. penser. Voilà, donc c'est extrêmement utile l'opération Barkhane. Mais il faut renforcer la coopération entre les États. Murtala, qu'est-ce que vous en pensez Un sommet Afrique-France avec euh, un au revoir du président français est-ce que c'est beaucoup plus pour la France que pour l'Afrique euh, Écoutez, euh, c'est des intérêts communs qui sont vraiment pris en compte alors, euh, dans, dans, la forme, on nous parle d'intérêts communs de la France et de l'Afrique qui vont être pris en compte lors de ce, de ce sommet. Euh, mais je crois que les questions qui ont été euh, annoncées, donc qui vont être traitées selon les annonces, de mon point de vue, sont beaucoup plus importantes que le sommet lui-même parce que la question de la sécurité, etc. Alors, la question de la sécurité. Prenons le cas de la force Barkhane. Est-ce que la décision d'envoyer de, la, force, la, la force Barkhane dans le Sahel a été prise au cours de ce sommet, je ne pense pas. Euh, la force sangariste en Centrafrique non plus. Donc euh, euh, ce sommet, de mon point de vue, va constituer une sorte de, de, rétrospective de ce qui a été fait. donc pour moi, je pense que ce n'est pas tellement important que ça. On va pas attendre beaucoup Non, faudrait pas vraiment s'attendre à beaucoup de choses, surtout que le président français est sur le départ. Alors, euh, n'attendez pas ce qu'il prenne des nouveaux engagements oui, mais au nom il y a de la il y a d'autres voix qui vont se faire entendre. Oui, le contre-sommet. Contre oui, le contre-sommet, c'est pour dénoncer, les choses qui se trament en dessous, parce qu'au-delà des discours officiels, euh, c'est quand même l'occasion qui, serait peut-être mise à profit par encore une fois de plus par la France pour pouvoir asseoir une... Euh, renforcer sa domination sur euh, certains pays africains et qui donc euh, pour caricaturer, je crois qu'il va plus s'agir d'une rencontre où euh, le président Hollande va s'adresser à ses collègues, à ses collègues africains, à l'image d'un imam qui, prêche dans une mosquée de vendredi. Rien de, plus. Rien de plus, rien de plus. <laughs> Euh, Abagana Rien de plus, euh, ou bien vous êtes, euh, n'êtes pas d'avis avec Murtala, des positions très clair sur les rencontres France-Afrique. C'est en fait la perpétuation de la colonisation. Il y a des chefs d'État qui sont des valeurs locaux de la France, de l'Occident, qui vont aller écouter leur maître à penser. Ça, ah, c'est vous qui le dites. Je l'assume et je vais oui, l'expliquer. Je vais vous dire une chose. Oui les gens sont libres de rêver les yeux ouverts. Mais je vais vous dire une chose. La sécurité d'un pays, ça ne se décide pas d'ailleurs. Je suis d'accord qu'on peut mutualiser des forces. Mais ailleurs, la France joue un rôle trouble. Au Mali, par exemple, la situation à Kidal. Il y a des irrédentistes qui veulent échapper au contrôle de l'État central depuis deux, trois ans, quatre ans, grâce à l'appui de la France. Vous, pensez que la France fait vous, pensez que la France fait avec la... le soutien de la Je pense que la France joue le chaud et le froid dans nos pays. Aujourd'hui, si vous partez à Madame, Dieu seul sait ce qui se fait. Les Madame, avions, c'est au Niger. Au Niger, tout à fait. Les avions au Niger. descendent, décollent. Aucun Nigérien, en tout cas même les porteurs nigériens n'ont pas accès à cette zone. Et je me rappelle d'un reportage d'une concert de France 24, ça fait deux ans déjà. Elle a conclu par dire dans sa chute que, visiblement, la France est venue pour rester longtemps en Afrique. Il y a la France, il n'y a pas que la France, il y a, les États-Unis, les États-Unis qui sont en train de finir leur base et il dans la même dynamique. c'est toujours dans la même dynamique. C'est de la même dynamique. Quand ils ont décidé, par exemple, que euh, Agadez soit tranquille le temps des festivités d'Agadez de, Sokni, ça a été. Et pourtant, Agadez, c'était une zone rouge. Ceux qui ont dit que c'est une zone rouge, nos ressortissants ne doivent pas aller, il y a des risques. Mais quand ils ont décidé que ce sera tranquille, et c'était calme. Donc je pense que c'est un rôle trouble que la France joue. Et le, sommet, c'est un sommet de plus. C'est un sommet où des valeurs locaux, qui sont nos chefs d'État, vont aller écouter leur maître qui est Hollande. un gars qui a dirigé une France qui est en pleine crise, en crise jusqu'au cou, il faut le dire. Donc un, qui est en crise, il y a un compte sommet pour entendre des voix comme euh, la vôtre. Un pays qui est, en crise, qu'est-ce que ça peut changer Un pays qui est en crise ne peut pas avoir des solutions pour d'autres pays. C'est très important cette activité des organisations de la société civile parce que ça veut dire que les mentalités sont en train de se réveiller. Ça bouge, c'est timide, mais il faut les saluer. Ça peut changer un jour ou l'autre. Il faut garder l'espoir, parce que ça ne sera pas toujours comme ça. Vous voyez, on, commence à poser des, questions sur le franc CFA, par exemple, qu'il faut le changer, qu'il faut une monnaie commune pour l'Afrique. Je pense que c'est déjà ça, et c'est un bon début. Il faut saluer ces initiatives. On va rester dans le domaine de la diplomatie. Oui, Gary, vous voulez juste quelque chose Mais entre nous, faisons un peu le bilan de la relation entre la France et les pays francophones. Si vous comparez les pays anglophones, leur développement, et les pays francophones, franchement, vous avez honte. Mais parce que la relation entre mais la le Le développement, c'est soi d'abord. Non, ben mais, oui, mais non. C'est que le système. Que si les pays doivent le, non, le système à leur niveau d'abord, et le, puis après peut-être viendront. Non, ça, c'est très beau ce que vous dites là. C'est très joli, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le système francophone France, Afrique a montré ses limites. Pratiquement tous les pays qui ont été colonisés par la France. Il y a la France-Afrique, il y a aussi genre Commonwealth. Non, je ne parle pas de la France-Afrique, ça c'est autre chose. Mais vous parlez de, euh, pays anglophones, il y a le Commonwealth aussi. Mais les pays, mais les anglophones sont plus développés que les pays francophones. Comment pouvez expliquer cela Le développement, c'est soit d'abord. Non, non, il y, a un problème. Il y a un problème au niveau des relations entre la France et, et ses anciennes colonies. C'est-à-dire que ce sommet, moi j'aurais voulu que ce soit le bilan, c'est-à-dire montrer que la coopération entre la France et les pays qu'elle a colonisés, n'est-ce pas, qui sont devenus indépendant, entre guillemets, eh bien, cette relation-là a montré ses limites. Repartir sur de nouvelles bases avec les prochaines autorités. Parce que, comme il l'a dit, <laughs> comme ils l'ont tous, tous les deux dit, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Ce sommet, ce sera un show d'adieu de, de, de François Hollande. Voilà. Mais on reste dans le domaine de la diplomatie avec le président de la République qui était du 7 au 13 donc jusqu'à aujourd'hui, en visite officielle en Arabie Saoudite. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés. Le président a même été décoré par le roi est-ce que c'est la diplomatie nigérienne qui est dynamique ou bien il y a quelque chose qui casse, qui, non, le, le, président, Issoufou, euh, euh, c'est quelqu'un qui est très respecté sur le plan international. C'est-à-dire que ça, même si on ne l'aime pas, c'est reconnu. Vous comprenez C'est-à-dire que il a, une certaine estime au niveau de la communauté internationale, au niveau des chefs d'État de des pays. Oui, pays c'est arrive à faire quoi Qu'est-ce qu'il a fait Mais parce que sur le plan de la sécurité, ce n'est pas quelqu'un qui fait du langage, de, comment on appelle ça, la euh, de la langue de bois. Il parle des choses claires, n'est-ce pas, contre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. cest il ne caresse pas le, sujet, enfin, les, les terroristes dans le sens du poil, où il, il, il, il essaie de. Non, il dit il faut combattre le terrorisme. Il dit concernant la Libye, il faut faire le service après-vente. Il dit il faut mutualiser les forces pour lutter contre Boko Haram. Il dit il faut unir les forces pour lutter contre le terrorisme. Il dit contre l'immigration, il faut que l'Europe puisse injecter de l'argent pour que les pays qui sont des zones de transit des migrants, que ces pays-là puissent empêcher les migrants de partir en mer et de, mourir pratiquement dans les océans. Donc c'est un langage clair, c'est un langage et c'est un président. Et c'est ce que l'Arabie Saoudite a entendu non, c'est pas ça. L'Arabie Saoudite, Non, l'Arabie Saoudite a toujours respecté les dirigeants africains. Ça, c'est depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Je crois que euh, l'unité de, religion qui nous unit fait que, euh, franchement, le Niger est un pays quand même qui a plus de 90% de, musulmans. C'est une, une médaille d'or quand même. Oui, une médaille d'or. Oui, Ils ont, ils, ont, ils ont leurs arguments. Et puis moi, je pense que déjà avant cette médaille-là, le président a eu déjà deux prix, n'est-ce pas Il y a eu le prix Mandela, il y a eu le prix Sankara. Donc c'est un président qui a, qui, vous dit qui est extrêmement respecté sur le plan international, n'est-ce pas Et donc, c'est clair, comme explication. Voilà. Donc, euh, Murtala, est-ce que c'est la diplomatie nigérienne qui est dynamique euh, euh, ou bien il y a autre chose qui cache tout ça, médaille d'or, euh, euh, je crois que moi je, salue d'abord en tant que Nigérien quand un chef d'État africain de surcroît de mon pays, un chef d'État mien, est décoré sur le plan international. je trouve personnellement un motif de satisfaction. Maintenant, qu'est-ce qui sous-tend cette décoration qui se trouve être la plus haute distinction attribuée à des personnalités qui ne sont pas saoudiennes Je ne sais pas les Saoudiens peut-être euh, ont voulu, selon je crois le coup officiel, euh, distinguer euh, le leadership du président Issoufou sur le plan de la sécurité dans la zone Afrique de l'Ouest. Hum. Encore que là aussi, ça reste quelque part. oui, c'est ce qui a été dit. Ça reste quelque part de mon point de vue mitigé. Mais s'il y a peut-être d'autres raisons, je les ignore. Mais quand même, je maintiens à ce qui a été dit. oui, c'est une avancée pour la diplomatie. Alors, à un moment, il a été ici entendu et dit par la société civile que les saoudiens projet de s'installer, par exemple, à Difa, euh, oui, bien évidemment. est-ce que ça peut être une raison de, cette opération Ça peut peut-être expliquer cela. C'est pour ça que je bien dit, je m'en tiens à ce qui a été dit. Maintenant, s'il y a des choses euh, en dessous, comme je n'en ai pas eu vent, euh, je pense que c'est peut-être cette distinction et puis les accords qui ont été signés par la suite, ça peut être une sorte d'effort pour amadouer les autorités nigériennes, surtout afin qu'ils donnent leur aval à cette installation qui, qui rencontre une, une opposition farouche au sein des des, des, organisations de la société civile, mais les prochains jours vont nous édifier surtout, oui, des, populations locales. Maintenant, si c'est un effort pour les amadouer, euh, je crois que euh, les autorités nigériennes auraient plus intérêt à se ressaisir, euh, voir juger ce qui va beaucoup plus dans l'intérêt de leur pays à long terme que plus que des, des, accords pour des aides sporadiques. Hmm. Abagana, pour vous qui êtes directeur de publication de l'actualité, est-ce que c'est le leadership du président Issouf qui a payé euh, ou bien qui est en train d'être payé quand ah, l'Arabie la Saoudite lecture, la lecture que de cette visite et puis des distinctions quand même qu'il a eues. La lecture que je fais de, de, cette visite, c'est que euh, les questions de diplomatie sont très subtiles. Il y a le communiqué officiel, il y a ce qui est dit officiellement, il y a ce qui, est, y a qui Donc je ne vais pas pour le projet de construction. Je ne vais pas m'aventurer euh, pour euh, la construction d'un barrage, le barrage de Kandaji, il y a l'apport de et puis etc etc. L'Arabie Saoudite c'est d'abord un pays riche comparé au Niger. C'est important. Et donc, lorsqu'ils décident de nous aider dans des domaines, euh, euh dans, le secteur social, je pense qu'il faut la cure avec euh, les deux mains, comme on le dit. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est, il y a des accords cachés ou bien c'est d'autres choses qui ont sous-tendu ça. C'est que sur Issoufou, il faut le dire, le président, c'est un grand voyageur. Je pense qu'il a battu le record des tour du monde euh, en 80 jours, en moins de 80 jours. Donc, euh, il dit... <laughs> Vous avez calculé Ils disent qu'il euh, il est très respecté à l'extérieur. Il y a quelques... une minorité de Nigériens... Non, c'est aussi un écho d'ailleurs, on l'entend. Ça me rappelle une émission des réfis. En fait, on dit qu'il y a peu de gens qui l'aiment, ou ceux qui l'aiment sont à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur, y a une grande. Euh, moi, je pense Popularité, que. leadership. D'abord, un leader qui est élu dans une démocratie, c'est pour régler un certain nombre de problèmes. Moi, c'est la compréhension que j'ai de la démocratie. Hein. Pas de la provocation, faire le belliqueux. Et donc, il y a des décorations en or, en bronze, Mandela et consorts. Je pense que c'est des décorations de pacotille. Ça ne peut pas régler le problème de l'éducation. Ça ne peut pas empêcher le fait que nos centres de soins ont besoin de médicaments. Ça ne va pas empêcher le fait qu'au Niger, on meurt encore de faim. Moi, j'étais à un reportage récemment à Mayaï. Oui, mais une distinction sur le plan Et donc, international. Des enfants décharnés. Aux yeux hagards, parce qu'ils n'ont pas mangé il meurt de faim. Et donc, un président. Ça n'empêche pas d'avoir une décoration. Je pense qu'il peut avoir même la décoration de médaille olympique où on lui rassemble tout, on lui met, ça ne change pas notre situation. Et donc, euh, il a été, c'est la diplomatie. Peut-être qu'elle est forte à l'extérieur, je n'en sais rien, mais je pense que c'est un grand voyageur, mais ça ne règle pas notre problème. Voilà, merci pour ce. tout le monde est libre d'apprécier, mais le président il se fout j'ai dit son leadership est indéniable. Maintenant, on n'a pas dit que le Niger est un pays qui n'a pas de problème. Chaque pays a sa propre misère n'est-ce pas Le Niger aussi a sa misère. Et le président n'a jamais dit qu'il a réglé tous les problèmes des Nigériens. Donc il faut que les gens se calment. Mais beaucoup d'efforts ont été faits quand même pendant le premier mandat, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'amélioration de, de, de, oui, de, la situation des agents de, la fonction publique, etc., etc., etc., Il, y a, Il beaucoup de choses. Les points qui ce sera l'objet de Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas ah, dit. Moi, je suis pas là pour faire. Non, non, il n'a pas dit. Non, non, il n'a pas dit qu'il a réglé tous les problèmes. On va continuer. Merci, Garé. On va À 18h47 minutes, euh, on va suivre, poursuivre notre forum avec le ministre de la Santé publique qui a initié hier matin une rencontre d'information et d'échange avec les promoteurs des établissements privés santé, les syndicats, les associations et plusieurs autres organisations de la société civile. Après un débat fructueux entre les participants et les responsables des services centraux du ministère de la Santé sur tous les problèmes de santé au Niger, le ministre s'est dit satisfait en promettant euh, l'organisation prochaine des États généraux de la santé. Je vous propose de suivre Dr Ilyas Menassara. Il insiste sur l'assainissement du secteur de la santé. À l'issue des exposés et des débats riches, avec beaucoup de contributions, les États généraux s'imposent. Il y a des cadres compétents. Quand on voit la richesse des exposés, on sent que tout le monde maîtrise son domaine. Compte tenu de ces textes qui sont en vigueur, l'inspection va continuer. Je vous annonce que s'il y a des cabinets privés ou des écoles privées qui n'ont pas l'autorisation d'ouverture, elles doivent fermer à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de cabinets qui ont été fermés. Hein. Elles savent qu'elles n'ont pas l'autorisation d'ouverture, mais elles n'ont pas fait de bruit. Le désordre dans les prix au niveau des pharmacies. La plupart de ces pharmacies ne respectent pas la marge bénéficiaire. Il y a des pharmacies qui sont à plus de 35%. Il y a une seule pharmacie qui a une marge bénéficiaire de 30%. Les faux médecins, faux pharmaciens, faux agents de santé, faux médicaments, on a eu à détecter. Actuellement, on a un faux pharmacien qui a été détecté dont on a engagé la procédure. De cette réunion d'échange, je tire euh, un sentiment de satisfaction. Voilà, le ministre de la Santé hier, euh, après la rencontre, dans sa conclusion, avec, euh, après la rencontre avec euh, les promoteurs des établissements privés et autres syndicats, associations et organisations de la société civile. Alors justement, c'est Murtala, vous allez peut-être apprécier, mais au fond, c'est vraiment cette affaire de clinique qui a été fermée et puis d'autres décisions certainement qui vont venir. Vous avez écouté le ministre. Alors, Comment vous appréciez cette attitude euh, du ministre de la Santé Une clinique fermée, peut-être d'autres décisions qui vont venir Est-ce que euh, c'est vraiment le balai Bien, euh, je, pense que le ministre euh, est encouragé dans cette démarche, mais même si j'estime que ce c'est véritablement pas où, se trouve le véritable problème. Mais sur cette démarche qu'il a engagée au niveau de, de, son département ministériel pour essayer d'assainir euh, des officines qui, qui, exercent sans, euh, sans autorisation, euh, des établissements de formation sur la santé, qui est quand même un domaine assez important, qui est très sensible, qui exerce sans autorisation de, de leur autorité de tutelle, je pense que c'est un véritable problème qui est là et qu'il faut s'y attaquer. il faut assainir le secteur il faut assainir, Il faut assainir. Quand il y a des, des, des, cliniques qui exercent jusqu'où vous voyez la limite Est-ce qu'il y aura arrivera un moment où il va, il va, il va, il va arrêter oui, bien, évidemment, quand il commence, ça peut s'arrêter. Mais je crois que. Vous croyez en sa volonté Je crois en sa volonté, mais euh, est-ce qu'il a la, marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout Parce qu'il faut voir derrière ces écoles de, formation santé, derrière ces centres de, de, santé, les pharmacies, les cliniques, les officines, etc. C'est quand même, euh, disons, excusez-moi l'expression, des gros bonnets qui se cachent. Alors, euh, est-ce que le ministre aura les coups de France pour pouvoir poursuivre la démarche il a engagé. Euh, je pense que euh, il a la volonté, mais il faut que de l'autre côté aussi, euh, au sein du gouvernement, qu'on lui facilite la tâche. mais encore, il faudrait que lui aussi, qu'il se montre quelque peu, je crois, un peu plus rigoureux dans le truc, parce que vous pensez que oui, oui, il y a, quand même des choses qui, sont faites. Et quand vous portez, bah, commencez comme ça par fermer, sans pour autant avoir établi un état des lieux qui mm. vous permettent de savoir qui et qui sont en règle vous commencez par fermer au compte-goutte. Non, ça ne marche pas. Il faut dresser un état des lieux. Quels sont les établissements qui sont à règle Quels sont ceux qui ne le sont pas Et puis vous dressez la liste de ceux qui ne le sont pas. Vous prenez un arrêté unique et qui va consister eh, à les fermer carrément. En mhm. Bagana, euh, le secteur de la santé, vous croyez au ministre de la Santé Je pense c'est quelqu'un qui connaît bien le domaine. Tout Il y a, déjà la volonté et c'est hmm. très important. J'ai suivi ses premières interventions qu'il a dénommées rencontre de vérité. Je ai rapporté, j'ai écouté, j'ai dit ça, ce ministre, il a des bonnes intentions. Est-ce que c'est du saupoudrage Est-ce qu'il aura la possibilité d'aller jusqu'au fond, comme l'a dit le confrère, derrière euh, chaque clinique, chaque école de santé, on sait qu'il y a quand même euh, certaines mains invisibles qui les soutiennent. J'espère qu'il aura quand même la force de poursuivre et d'aller en profondeur et de faire surtout un suivi par la suite. Avec le ministre, j'ai appris qu'au Niger, on a à peine 000 et quelques agents de santé pour tout le Niger, moins d'un millier de CSI. Je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever et il faut l'encourager dans ce sens. Parce que euh, oser s'attaquer à des indéboulonnables ou des intérêts aussi financiers importants, euh, je pense qu'il euh, va falloir qu'ils qu'il de beaucoup de courage et qu'il soit soutenu surtout dans cette action par le gouvernement. c'est juste une clinique qui a été fermée. Tout à fait, clinique ni IMA. Je pense que c'est un bon signal parce qu'il a déjà dit. Euh, L'opération va continuer. Il a dit qu'il y aura les états généraux euh, sur euh, dans le secteur de la santé. Non, je pense qu'il faut l'encourager. En fait, nous ce qu'on dénonce, ce hein, c'est pas personnel c'est le système, c'est l'injustice qu'on dénonce. C'est pas, c'est pas que non, moi je mange dans ce régime, je le soutiens. Ce que le ministre a fait, il faut l'encourager. J'espère qu'il ne sera pas débarqué du gouvernement. Je m'en souviens. Voilà. Gary. Oui, il faut, dire que. C'est un ministre qu'il faut encourager. Mais il faut l'encourager. Mais écoutez, un journaliste ne passe le 20 bon matin pour vendre des médicaments un boucher ne peut pas vendre des médicaments. C'est-à-dire que pour vendre des médicaments, il faut faire une école, il faut, avoir un diplôme, il faut avoir une formation. Il faut quand même assainir ce milieu-là. Et moi, j'ai dit ceux qui ont traité par ces cliniques-là, mais ils l'ont échappé belle. Parce que quand on apprend que le monsieur qui a la clinique <laughs> a un diplôme qui n'est pas un diplôme de, euh, un, faux diplôme, ou qu'on apprend que ce pharmacien-là n'a jamais fait la pharmacie, et que dans ces pharmacies-là, on a, on a vendu de bons médicaments, mais ça veut dire qu'on a consommé des faux médicaments en pagaille dans ce pays-là. Mais j'ai dit, il faut assainir, effectivement. Mais maintenant, comme ils l'ont dit, il faut, il faut au moins souhaiter qu'il n'y ait pas de, de, favoritisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette pharmacie-là qui appartient à ce gros bonnet-là qui appartient au régime, qu'elle soit épargnée malgré ce qu'on aurait constaté et qu'une autre pharmacie soit. Il faut que le même bâton puisse frapper tout le monde. Pour rejoindre un peu à il y a une cohérence dans la prise des décision. Il y a une cohérence dans la prise de Bon, il y a, une, une, forme, fermée non, euh, euh, après un constat. Je suis avec mortalité ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais voulu, c'est que qu'il fasse la situation en général Une fois qu'il aurait fait la situation en général maintenant qu'il puisse euh, euh, prendre des mesures. Mais vous voyez, c'est un médecin. Vous comprenez Un médecin qui constate que dans cette pharmacie-là, il constate qu'il y a des problèmes. Et que cette pharmacie-là, Si il attend une journée, elle va continuer à soigner des gens, à mal soigner des gens, peut-être à tuer des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire donc, dès qu'il constate, il arrête. Et c'est ce qui a fait que c'est cette première pharmacie-là. Il ne peut pas attendre que tout le bilan soit fait pendant d'ici trois mois avec tous les dégâts que ça peut, ça peut, ça, peut supposer pour pouvoir, pouvoir, frapper. Donc il faut s'attendre à d'autres décisions. Oui, ça sera Vous êtes certain que ça va, ça va venir Non, ça va venir parce que c'est un processus qui a été commencé par l'ancien ministre de la Santé, n'est-ce pas Il y a plusieurs problèmes. Il y a le fait que des médecins payés par l'État sont en train de travailler dans des cliniques. Ça, c'est notre problème. Et vous allez à l'hôpital, ils sont pas là. On vous dit que ce médecin-là, il ne vient que le jeudi. Et il est payé par l'État. On lui dit, non, il vient le jeudi. Ou bien vous venez à l'hôpital ou dans, dans, un centre de santé, on vous dit que non, le médecin lui-même, il vous dirige vers une clinique tout en sachant que c'est là-bas qu'il travaille Donc il y a beaucoup de travail. Le, les États généraux vont permettre vraiment d'assainir le milieu, j'espère. Alors, on va faire le, dernier point avec euh, l'association Génération Diaspora pour sa deuxième édition qui vient de nommer, donc pour sa deuxième édition, un Nigérien au titre de journaliste africain de la diaspora de l'année 2016. Il s'agit de Sidi Kaba, que vous connaissez bien, journaliste écrivain qui existe actuellement à Paris en France. Sidi Kaba était rédacteur en chef euh, central à l'hebdomadaire Jeune Afrique euh, et aussi chef du bureau de l'Agence panafricaine d'information. Avant ça, il a exercé au Niger. Que signifie cette nomination et qui, qui sont concernés au-delà de lui Je vous propose de suivre euh, Sedi Kaba, si l'élément est... Malheureusement, nous ne pouvons l'écouter, mais toujours est-il dit que c'est une distinction. Vous connaissez assez bien Siddiq. Qu'est-ce que vous en pensez de cette distinction Et ce sera l'occasion de faire euh, notre conclusion avec euh, la, le bilan 2016 sur la liberté de presse. On va commencer avec Murtala. D'accord. Euh, sur cette distinction de, euh, à notre confrère, euh, Monsieur Sedi Gaba, notre compatriote, euh, un aîné que je respecte bien, bien que je n'ai pas eu malheureusement la chance de le côtoyer, je crois que c'est juste reconnaissance, reconnaissance du mérite, de, du mérite du travail qu'il a abattu. Et je crois que c'est un chapeau. Eh oui, c'est un, je tire mon chapeau. Au-delà, quelle conclusion Comment vous appréciez le bilan 2016 de la liberté de la presse nous sommes en fin d'année, nous débutons l'année 2017. Ah oui, euh, d'abord, je peux. 15 secondes. 15 ah, ah, secondes, ça va être extrêmement difficile, mais je vais essayer. <laughs> J'ai déjà bouffé mes 15 secondes. <laughs> Alors, euh, l'année 2016 a été une année, bon, euh, plus ou moins difficile pour la, presse ici au Niger. on espère que l'année 2017 apportera beaucoup plus, mieux que cela. D'accord. Abagana? Avec Cédric c'est un travail de longue haleine qui a été récompensé. C'est quelqu'un qui très rigoureux dans son travail. Euh, j'ai eu à le rencontrer une fois quand il était venu de passage à Niamey. Et c'est quelqu'un qui fait honneur à l'Afrique et à notre pays. Dans tous les débats, quand vous les voyez sur le plateau, vous avez l'habitude de le suivre, sur France 24, euh, sur les chaînes aussi euh, de Chevelet. Quand il y a des grands sujets, il est très ouvert et il répond toujours aux invitations. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui qui va amener sa touche dans le sens positif. L'année 2016, pour enchaîner, a été particulièrement éprouvante pour le monde de la presse. Je retiens que nos confrères, par exemple, de l'hebdomadaire Courrier, ont passé un sale temps au bagne parce qu'ils ont dénoncé un certain nombre de situations mm. où euh, des gros bonnets des mm. personnes qui sont dans le sérail, 2017, ont eu à être euh, effectivement confondus dans la question de la fraude lors du concours de l'entrée euh, à la fonction publique, le concours de, la santé. Et donc, j'espère que 2017, au delà du discours, être euh, une, année, meilleure. Pour la Du reste, nous, ma conviction est que la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. D'accord. Gary, une conclusion Moi, je, crois que c'est Dick Abba, je l'ai rencontré au dernier sommet de l'Union africaine, le sommet pour la sécurité maritime à Lomé. Je l'ai rencontré, mais c'est quelqu'un que je suivais déjà sur les débats. Dès qu'un Nigerien a un prix, moi, c'est un principe, je suis très content. Parce que moi, je vois le drapeau. D'accord. Il y a le drapeau. C'est extrêmement et Le bilan et surtout, de la liberté de presse. Et surtout, c'est quelqu'un d'extrêmement, d'extrêmement compétent. C'est vrai qu'il a, qu'il a, eu euh, des problèmes à un moment avec, euh, avec le régime par rapport à certains de ses écrits. Mais moi, j'ai dit, euh, moi, je suis fier quand je vois celui a Kaba sur un plateau de télévision. Et Et suis très content qu'il ait eu ce prix-là. Et donc, je l'encourage. Vraiment, pour 2016 2016, c'était une année, effectivement, où certains journalistes qui euh, exercent la profession avec une certaine légèreté. y a à partir avec la justice. Parce que je vous dis, ce sont des gens qui sont coutumiers de la chose. Moi, j'ai dit, je suis étonné. Parce que c'est toujours les mêmes, comprendre, dans les mêmes affaires, dans les mêmes légèretés. Vous pensez, vous espérez que ça va changer Cette année, j'espère que les gens vont faire le métier avec plus de sérieux. Donc, plus de sérieux, toujours les mêmes, avec ça. C'est toujours les mêmes de, avec la justice. Merci, euh, Gary Amadou, euh, pour euh, ces pour, ce débat. Merci à vous, Murtala Mahmoud du journal La Griffe. Et merci à vous, Abagana. Et voilà, ainsi prend fin ce forum. Nous nous retrouvons certainement la semaine prochaine. Merci à vous. Bonne soirée.